il faut dire qu'il euh, n'y a pas d'antécédent d'attaque jadis, comme vous l'avez souligné, euh, dans cette zone de Kouré en particulier. Euh, mais des assauts contre des cibles proches de la capitale Niamey ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, plus tôt cette année, des roquettes auraient été tirées dans une zone proche de la capitale. En juin 2019, un poste de police à l'entrée de Niamey sur la route de Walam a été attaqué. En mai 2019, euh, euh, on se souvient de l'attaque euh, sur la prison sur la prison de Kutokale, située à environ 50 km de Niamey. Et, récemment, de plus en plus, on a des alertes qui, arrivent et qui mettent en garde contre des menaces d'attaque sur la capitale Niamey. Il faut dire aussi que Niamey est la capitale la plus proche de nombreux bastions djihadistes dans, dans, la région. Elle est par exemple euh, plus proche que euh, euh, Bamako et Ouagadougou pour des djihadistes qui opèrent dans la zone du Liptako Gourma, qui est l'un des épicentres le plus chaud de, l'insurrection djihadiste aujourd'hui. Elle est aussi la plus proche des, des, zones djihadistes situées au nord du Mali. Et donc, si pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'attaque djihadiste, c'est sans doute euh, grâce aux efforts euh, des autorités, et en particulier les forces de défense et de sécurité qui multiplient les efforts pour euh, garder la capitale Niamey sain et sauf. Mais de plus en plus, on a comme l'impression que la menace grandit autour de la capitale, que l'étau se resserre sur, sur Niamey, car la menace ne, vient pas que de la zone, que du nord vers la zone euh, du Liptako à la frontière entre le Mali, euh, le Niger et le Burkina, mais de plus en plus, euh, la menace grandit aussi du côté ouest, avec, vers la frontière avec le Burkina Faso. Et, récemment, il y a eu quelques altercations vers l'est, vers la zone de, de etc., et vers la frontière avec... avec le Nigeria, vers Sokoto, tout ça pour dire que la menace et là euh, elle grandit. Et euh, euh, la capitale n'est pas nécessairement à l'abri de ce type d'attaque. L'attaque a eu lieu à un moment où la coalition militaire composée des armées nationales du Mali, Niger, Burkina, euh, en collaboration avec euh, l'opération française Barkhane, a intensifié euh, les opérations antiterroristes qui ont eu pas mal de succès hein, dans, la zone en neutralisant un grand nombre de djihadistes, principalement dans la zone des trois frontières, la zone du Lutako Gourma. mais c'est clair que l'attaque de Kouré représente un revers euh, par rapport à, ces succès qui sont engrangés. Et cela démontre toute la difficulté euh, de mener euh, cette guerre antiterroriste, car une attaque éclair par des loups solitaires pourrait créer tellement de dégâts, saper le moral de toute une nation et de tout un peuple et, fournir une publicité gratuite aux djihadistes qui autrement seraient dans une position très très difficile à cause des opérations militaires.